le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du Studio et bienvenue dans le Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité, deux principaux thèmes au menu du forum d'aujourd'hui. Tout d'abord, au plan sécuritaire, avec la surveillance d'événements tragiques, notamment des attaques et des embuscades à Dirkou et à Gougaram dans la région d'Agadez et à Chetima dans la région de Difa. Au plan académique, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX en grève depuis lundi 18 février. Pour le développement de ces sujets, nous recevons nos confrères Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan, bonsoir. Bonsoir. Rufai Dandoua, journaliste euh, indépendant. Rufai, bonsoir. Bonsoir. Issa, journaliste euh, freelance. Ousseini, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également aujourd'hui un invité spécial. Il s'agit de notre confrère Sekou Gadjigo, journaliste euh, du studio Tamani du Mali. Il est ici au Niger pour un séjour au studio Kalangou. Sekou, bonsoir. Bonsoir Al-Hassan. Au micro, Alassane Kouzi pour la présentation. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus dans le forum de la presse de ce vendredi 22 février 2019. Nous ouvrons ce numéro par l'actualité sécuritaire marquée par des attaques à main armée dans la région d'Agadez. Hier soir, aux environs de 21h, une délégation du premier vice-président du conseil régional d'Agadez en partance au festival de l'Aïr à Iferouane a été attaquée par un groupe de bandits armés à 3 km de Gougaram. Pas de morts ni blessés, mais d'importants effets matériels emportés. L'on se souvient que dans cette même semaine, précisément le lundi dernier, un convoi militaire a été attaqué par des individus armés non identifiés sur le trajet Agadez-Dirkou. Pas de bilan officiel, mais d'après des informations relayées par la radio France RFI, le commandant de la base militaire nigérienne de Dirkou, Lamine Mohamedine, a trouvé la mort dans cette attaque ainsi que son chauffeur. RFI nous apprend que selon les premières investigations, les assaillants portaient des uniformes militaires et étaient à bord de 14 véhicules munis de canons et de mitrailleuses. Alors, euh, je commence tout de suite avec vous, Hassan Boukar. Euh, vous avez aussi euh, appris cette information. De quelle autre précision disposez-vous Merci beaucoup. Alors, Évidemment, euh, l'attention est attirée par la région d'Agadez au vu de ces deux événements malheureux que vous venez de, rappeler. Euh, pendant longtemps, cette région était un peu euh, mise à l'ombre par Difa et Tilaberi où l'insécurité a quand même pris beaucoup plus d'envergure. Mhm. Euh, mais dans la zone d'Agadez, il y avait déjà euh, des attaques, euh, des, personnes qui s'en prenaient aux voyageurs, notamment sur l'axe Agadez-Dirkou. Ces attaques-là existaient. Mais ce que vous venez de rappeler montre l'ampleur que ça prend dans cette région avec des malfrats qui s'en prennent au symbole de l'État, mhm. puisque c'est un haut gradé militaire qui a été tué. Puis, comme vous le rappelez, hier soir, là c'est euh, la délégation du Conseil régional d'Agalèse, mm. euh, conduite par le vice-président M. Akouloussi Sidi, qui a fait mm. l'objet d'attaque. Euh, heureusement, il n'y a pas eu de, de, de, morts mais ils ont essuyé des tirs quand même, puisque selon les informations, un qu'il a essuyé des tirs. Mm. Ça montre que l'insécurité est en train de monter dans la région d'Agadez. Maintenant, toute la question, c'est qui est à l'origine de cette insécurité. C'est une question pour l'instant difficile. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Mais par exemple, pour cette euh, deuxième attaque, dans la région d'Agadez, on parle, en particulier dans la ville d'Agadez, il y a des rumeurs euh, depuis ce matin qui laissent croire qu'une partie de ce qui a été emporté aurait, été, retrouvé. Aurait été Alors, du coup, ça pose la question de mais finalement qui est derrière, euh, euh, Cette, cette, cette, attaque. Parce que euh, il y a quelque chose qui était déjà prévisible et je pense que le conseil régional, en, même temps que d'autres acteurs de la région d'Agadez, avait déjà alerté sur la situation des jeunes dans cette région, dans cette région. sur avec le fait que les sociétés minières euh, avaient fermé. On mm. connaît un peu la situation de l'uranium aujourd'hui. La question de l'immigration. Euh, l'immigration qui a été criminalisée, mm. les sites d'exploitation artisanale d'or ont mm. été fermés. Et du coup, on se posait la question de, eh bien, euh, tous les acteurs qui vivaient de ces activités, que deviendraient-ils de lors que le gouvernement ferme la porte Alors, euh, ça peut être une spéculation, puisque pour l'instant, on ne connaît pas très bien l'identité de ces personnes. Mais en tout cas, ça, ça euh, relance un débat qui a déjà eu dans la région d'Agadez euh, depuis, depuis quelques temps. Rufai Dandoua, comment comprendre cette recrudescence des attaques dans cette région du Niger, Agadez Merci, Kozi. moi, je pense qu'au-delà de, de, tout ce, ce qui se passe euh, aujourd'hui, ce qu'on a l'habitude de voir, cela pose un défi énorme pour nos autorités. Et au plus haut sommet, vous euh, rappelez-vous récemment, euh, nos présidents <clears throat> étaient réunis au Burkina Faso, je crois, et pour une rencontre, oui, le G5 Sahel. cela prouve que malgré les dispositions qui sont en train d'être prises ou qui ont été prises, ces bandits armés ont encore des forces de frappe. Euh, je me rappelle ici, on parlait d'une victoire d'une force de défense et de sécurité dans la région de Difa jusqu'à ce qu'elles avaient jubilé un moment. Et on, a, on avait dit à l'époque, vous vous rappelez, de faire attention, de ne pas dormir sur, euh, sur nos lauriers parce que on avait gagné une bataille mais Pas la guerre. Et ça prouve que et au-delà de Tilaberi, au-delà de Difa, Agadez qui, à un moment de l'histoire, avait connu l'histoire de, de rébellion avec euh, les accords du 25 avril 1994. Ça, a tendance à revenir, même si on sait que lorsqu'il y a des, événements comme euh, le festival de l'Aïr, des événements de ce genre, il faut prendre des, des dispositions. Mais l'un dans l'autre, on sait que, comme disent chez nous les Hausa, celui qui, veut et ce qui t'appartient se lève plutôt que, que, toi. Je pense que malgré tout, il devrait y avoir euh, beaucoup de précautions de prise, mais malheureusement, et on C'est quand même une zone très vaste, une zone très vaste euh, la région d'Agadez euh, Justement, c'est une autorité de la République qui était en voyage avec euh, la presse. Il y, a deux confrères aussi qui étaient. J'ai vu ça dans, sur les réseaux sociaux des confrères de RTT. Et cela aurait dû permettre à, aux autorités et locales et nationales de prendre des mesures draconiennes parce qu'on savait que lorsqu'il y avait ce genre d'événements, il y a toujours des, bandits qui sévissent. Mais bref, il n'y a pas de risque zéro, comme on dit. Mm. Et on espère que ce problème sera très bientôt derrière nous. Vous savez, Nissa, comment vous, vous lisez cette situation euh, euh, dans la région d'Agadez euh, pour ce qui est de, l'attaque du convoi militaire qui, a, qui a causé la vie de du commandant, <coughs> on, parlerait de, on parle de 14 véhicules militarisés demande des armées. Comment euh, comprendre que... Euh, Alassana, je tiens à dire une chose. Vous savez, mm. la région d'Agadez fait frontière avec la Libye, le sud libyen. Mm. Ça, d'une part. Et de l'autre côté aussi, on sait bien la situation du Tchad, ce qui prévaut dans la région, comment dirais-je, en territoire tchadien. Maintenant, c'est une localité que je connais, Dirkou, je connais Bilma. Et pour joindre Agadez à Dirkou, c'est des centaines, des centaines de kilomètres qu'il faut parcourir dans le désert et mm. sans guide, c'est pas toujours évident. Maintenant, ce qui viennent se produire, en tout cas récemment, avec la mort du commandant mm. et de son chauffeur, j'ai dit quelque part, c'est peut-être une euh, baisse de la vigilance. Il y a des questionnements qui ont été formulés, notamment <laughs> la présence des bases euh, militaires étrangères qui sont là avec des drones qui doivent permettre à nos soldats, en tout cas, de, pouvoir un peu, sur le plan sécuritaire, de pouvoir avoir de l'information. Mais on a comme l'impression, ces questionnements ont été, j'ai suivi les reportages de RFI sur la question, et ces questionnements ont été formulés. Comment ça s'est passé qu'un convoi de 15 véhicules lourdement armés puisse franchir le territoire, en tout cas traverser la frontière nigérienne, jusqu'à s'en prendre Parce que j'ai mm. cru comprendre que le commandant, ils étaient dans trois véhicules. Il y avait le commandant en tête et son chauffeur, mm. plus maintenant deux véhicules d'escorte. Mm. Et malheureusement, quand ils sont tombés dans l'embuscade, c'est le commandant et, et, son chauffeur qui ont trouvé la mort. Mais de manière globale, il faut dire que euh, c'est une zone qui a été difficile à pacifier. Agadez a connu quand même une longue rébellion de 89 jusqu'à pratiquement jusqu'à 98, avant que la rébellion ne cesse. Et il y a eu une deuxième rébellion et en 2007, à partir de 2007, avec la, le, MNJ. Mm. Bon, tout ça, c'était déjà campé comme décor. Maintenant, qu'est-ce qui a pu susciter ce, regain de, comment d'insécurité dans la zone Je vais dire, Abba vient de le dire, c'est que les, gens, ils, ont été. Euh, il y a un certain nombre de, de, possibilités qu'ils avaient dans la région. Il y avait l'exploitation de l'eau, il y avait en plus cette histoire de trafic où transporter les gens. Où beaucoup de jeunes sont Maintenant, on, les a, on a, on a criminalisé euh, la migration mm. et on a laissé les gens comme ça, ça, ça sans leur proposer quoi que ce soit. Parce que j'ai vu quelques euh, passeurs avec qui j'ai discuté ils m'ont dit, mais avec 150 000, alors que c'est des gens qui ont l'habitude dans l'espace. semaine. Il y a quand même eu un certain, à un moment des, des projets financés par l'Union européenne pour, pour, Oui, d'accord, mais euh, c'est insignifiant. Des pour activités. C'est insignifiant. Pour quelqu'un qui, en l'espace d'une semaine, peut Peut, peut, peut, mobiliser 3 à 4 millions. Mm. En faisant aller-retour, simplement, il peut se retrouver à 4, 5 millions. Mais on lui dit, voilà, 150 000 avec 150 000, il faut te débrouiller. Ça pose sérieusement problème. Mm. moi, je dis, ce n'est pas des solutions pérennes. Il faut, il faut créer les conditions pour pouvoir, en tout cas, euh, pour, pour éviter à ce que cette zone-là s'installe de nouveau dans, dans, dans, l'insécurité. Il y a déjà DIFA qui est là, on n'arrive pas à stabiliser. Il y a la région, toute la bande noctilabérie, qu'on n'arrive pas à stabiliser avec les attaques terroristes et djihadistes. Hmm. Je me dis, ça pose problème. Si Agadez aussi euh, ça, ça, ça, Mm. la même euh, la semaine dernière, à Dirkou, mm. justement, région d'Agadez, un forum sur la paix a eu lieu et c'est au cours de ce forum que plus de 160 éléments du mouvement pour la justice et la réhabilitation euh, rebelles du Kawar ont remis leurs armes aux autorités sur place. Aussi, le forum a fait des recommandations à l'endroit de l'État, notamment sur la réouverture des sites euh, orifères, celui de, du Djado, et la restitution de <coughs> véhicules de transporteurs des migrants. Oui, moi je veux dire, ça dit, la migration en soi n'est pas une, mauvaise chose. Ça dit, c'est le fait de vouloir criminaliser. C'est ça qui a amené tout ce problème-là. On a criminalisé. À l'époque, quand ça s'est déroulé dans les formes, les gens pactaient, ils revenaient. Ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Mais les autorités nigériennes ont fait, créé la faille en, permettant, par exemple, euh, du côté de l'Algérie, que l'Algérie rapatrie parce que c'est un accord qui a été signé entre l'Algérie et le Niger, les autorités algériennes et nigériennes. vous pensez que ça, ça contribue à l'insécurité mais, mais, ça contribue bien évidemment à l'insécurité. Quand quelqu'un se trouve dans une situation de paupérisation extrême, hmm. il est obligé de se débrouiller pour trouver à manger. C'est des peuples de famille qui sont sur les carreaux aujourd'hui. Moi, j'ai dit, les histoires de forums sur la paix, tout ça, là, moi, j'ai dit, c'est du folklore. Il faut arrêter le folklore. Il faut créer les conditions de développement dans ces zones-là ce n'est pas autre chose qui amène ces, Parce que venir faire une réunion où des gens vont venir tenir des discours et puis ça s'arrête. C'est quand même des représentants. Hein, mais des, représentants par rapport à quoi La pauvreté est là. groupes sociaux. Non. Oui, d'accord, ils sont là. Ils vont exposer leurs doléances Ils ont exposé leurs doléances Mais le problème qui se pose, ce n'est pas le fait de formuler les doléances, mais de pouvoir les solutionner. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans, dans, dans, dans nos, pays. là, Ce pas le cas. On vient, on écoute, bon, on va prendre note et puis bon. Et après, la situation dégénère. Alors, euh, euh, oui, Rufai Dandoua, il y a eu quand même la semaine dernière un forum justement sur ces, questions, prévenir euh, certaines tensions qui pourraient survenir suite à la fermeture du site orifère, suite à la criminalisation du transport des migrants, notamment les passeurs. Oui, moi, je vais, euh, d'abord répondre à ce que au a dit. Ce n'est pas une raison parce qu'il y a la paupérisation, parce que les gens sont pauvres qu'ils vont euh, penser qu'il faut attaquer les gens qui ont travaillé euh, durement dans leur vie pour, pour se procurer ce qu'ils ont, la richesse qu'ils ont amassée, parce que il y avait eu, parce que vous n'avez pas quelque chose. Ce n'est pas la faute de l'État, c'est pas la faute à, peut-être c'est votre faute parce que vous n'avez pas créé les conditions pour avoir quelque chose. Mais ce que vais dire. Moi, je, me rappelle avoir suivi une, euh, interview du président du Nigeria, Buhari, quand il parlait de, tout ce qui est à la base de, ces attaques qui viennent du nord, du sud, d'un peu partout. C'est dû au fait, depuis le départ de du président libyen, mm. Feu Kadhafi, qui était parti. Il y avait euh, des, des, des, des, Africains du Niger, des Africains du Mali, des Africains du Tchad qui ont été recrutés par le régime libyen à l'époque ils ne savaient rien faire que tenir les armes. Lorsque Kadhafi était parti, personne ne pouvait les prendre en charge. Aujourd'hui, ils ont pensé que la meilleure manière de survivre, c'est de prendre leurs armes et d'être dans, le, dans mm. pour attaquer les gens. Est-ce que c'est une solution Je pense que quelque part, non. Est-ce que la solution qui est en train d'être envisagée par nos, par nos présidents en se réunissant Parce que la dernière fois, vous vous rappelez ici, et on parlait de... Aujourd'hui, les, les armées modernes, ce n'est pas et, le nombre de militaires, ce n'est pas mm. la formation, c'est le renseignement. Lorsque, par exemple, un commandant dans, le, dans, dans cette partie du Niger a été attaqué, normalement, s'il y avait des renseignements, et fiable, s'il y avait des bons renseignements, ce genre de choses n'arriverait pas. C'est pour ça qu'on remet en cause l'installation des bases militaires françaises et américaines au Niger, parce qu'on suppose que lorsque vos amis, entre griffes, sont là, c'est pour vous mettre dans des euh, situations, pour vous alerter, pour vous, alerter, vous, rappelez l'attaque euh, qu'il y avait un moment dans la région de Défa avec 200 euh, ou 2000 motos qui étaient arrivées pour attaquer. C'est Karangam, je crois, je me rappelle un mm. moment. On ne peut pas comprendre et, mais au-delà même de la présence des forces étrangères, on ne peut pas comprendre que notre armée qui est là ne, se, ne voit pas l'afflux ou l'arrivée massive mm. de plus de, 1000 motos qui viennent. Je pense que quelque part, il y a une faille. ici. Mm. c'est sur ça qu'il faut jouer. Euh, Sekou Gadjigo, notre confrère du Mali, veut euh, réagir. Oui, juste euh, quelques mots par rapport à, ça. Je vais parler sous le contrôle des, confrères de doyens. Je vais abonder dans le même sens que le doyen euh, Ousseini ça? je me dis que nos, autorités, nos dirigeants euh, dans le Sahel, ils sont, pas, ils sont négligents, ils ne sont pas prévoyants. Moi, je me dis, euh, par rapport aux, deux, attaques euh, dans la région d'Agadez, Agadez, comme il a dit, fait frontière, c'est la frontière libyenne. Mm. Moi, je me dis, pour des, dirigeants prévoyants, il y a quelques jours quelques semaines, une colonne de, de véhicules de présumés rebelles, qui, voilà, qui voulaient faire une descente sur euh, mm. qui ont été frappés par euh, les forces françaises. Mm. Les forces françaises ont, les ont frappés à partir d'où De Niamey. De Depuis lors, si les, autorités nigériennes étaient, euh, voilà, étaient prévoyantes si, si elles n'étaient pas négligentes. Mm. Je pense qu'elles devaient prendre des dispositions, elles devaient s'attendre à quelque chose. le reflux De, ces gens. C'est possible, c'est possible. Parce que Agadez, euh, euh, c'est la frontière libyenne. Peut-être que ces gens, pour, par, par représailles, pour se venger, ils peuvent commettre ces, ces attaques. Je ne suis pas euh, je ne dis pas que les hypothèses que l'autre a évoquées, c'est-à-dire le, chômage des jeunes, mm. le fait de criminaliser euh, euh, l'immigration et autres, que ce soit des facteurs favorisants. Mm. Mais moi, je me dis que le Sahel, aujourd'hui, c'est un territoire vaste et nos autorités doivent être souvent prévoyantes, doivent prendre des mesures anticipative. Mm. C'est ce qu'on ne fait pas. On fait très souvent dans la fanfaronnade, euh, quand on neutralise un petit groupe, de l'autre côté, on part crier victoire, ou bien on part organiser des sommets pour dire il y a ceci, il y a cela et, mon, autre confrère disait que nous avons des amis euh, qui pouvaient nous aider quand même à avoir des renseignements. Moi, je, dis, je ne dis pas que l'amitié entre euh, ces pays du Sahel et la France n'est pas sincère, mais avant de compter sur, euh, sur un ami, il faut compter sur soi. Nous devons hmm. prendre des dispositions pour avoir des services de renseignement hmm. en mesure d'avoir des informations à temps hmm. et pouvoir voilà, prendre des dispositions. Hmm. C'est mon avis. Bien, merci. Euh, Abba Hassan, Bouka, peut-être une réaction sur le forum qui a eu lieu, en tout cas avant ces, ces événements, la semaine dernière. Je pense que, je pense que Je voudrais qu'il donne son avis par rapport à ça. Je les autres, je posais la question aux autres. Donc, euh, les, forats, on en a beaucoup organisé dans ce pays. Hein. C'est bien de faire le bilan aussi. Ça n'apporte pas des fruits. Les forats. Ce que je vais dire quelquefois dans les forats, c'est vrai, il y a des acteurs qui sont là qui prennent parfois des engagements. Et parfois, on achète la paix euh, avec les acteurs. Rappelez-vous des acteurs, je pense que quelqu'un l'a rappelé, il y a des acteurs des rébellions des années 90. On a pratiquement acheté la paix avec ces acteurs-là. Mais vous voyez bien, il y a, le cycle, ça reprend, il y a d'autres acteurs qui viennent. À mon avis, les, les foras ça fait partie peut-être de l'arsenal qu'il faut mobiliser sur le chemin de la paix, mm. mais ce n'est pas la seule solution. Il ne faut pas donner aux forats le pouvoir qu'ils n'ont pas. Ça permet à un moment de réunir des gens dans une salle, de rappeler et puis de se dire bon, il faut arrêter, il faut peut-être faire la paix. Des engagements sont pris, souvent violés par une partie ou par l'autre. Bon, voilà, les, engagements parfois on les oublie et tout ça. Mais à mon avis, la question de fond, il faut se rendre compte que aujourd'hui au Sahel, ce que nous vivons, menace euh, non seulement la souveraineté, mais même l'existence, euh, on peut le dire aujourd'hui avec ce qui se passe au Mali, l'existence de nos pays. C'est une question qui concerne tout le monde. Il faut bien qu'on se rende compte que nous devons tous travailler pour que cette paix arrive. Et les États ont une grande responsabilité de, euh, la façon dont ils gèrent où on se donne à moins long terme les moyens de juguler et de mettre fin à la situation de Sahel aujourd'hui, ou alors de créer des situations qui au contraire, vont alimenter mhm. l'insécurité et puis ça va être encore beaucoup plus durable dans notre pays. Bien. Abbas, euh, euh, Hassan Boukar, dans la région de Difa aussi, une position de la garde nationale du Niger attaquée vendredi 15 février à Chetima Wangu euh, aux environs de 18h par des éléments présumés de, Boko Haram à bord de véhicules dont un engin blindé a annoncé un communiqué du ministère nigérien de l'Intérieur qui dresse le bilan de cette attaque comme suit. Côté mis 7 morts et 6 blessés par balle. Côté ennemi, plusieurs morts, dont un laissé sur place et de nombreux blessés emportés par les assaillants. Huit éléments présumés de Boko Haram capturés, des matériels euh, récupérés composés de trois véhicules montés de mitrailleuses, trois fusils AK-47, ainsi que des centaines de munitions, tous euh, calibres confondus. Alors, quelle lecture vous faites de ces bilans euh, de la situation d'insécurité qui persiste dans cette région d'IFA Si on analyse sur 2 trois ans, on dirait qu'il n'y a rien de nouveau c'est ce qui arrive malheureusement presque chaque semaine euh, ou chaque mois. Il y a quand même ces attaques qui sont récurrentes. Euh, et là, chez Timorango, c'est quand même seulement à la sortie de Difa. C'est juste quelques kilomètres de Difa. Hein. Euh, Combien On peut avoir une idée 20, 30 25, pas plus. En tout cas, moi, De la ville de Difa Oui, de la ville de Difa. Ce n'est pas loin, en fait c'est vrai qu'il y a eu des attaques même à Guesquerou, qui est encore beaucoup plus proche, qui est à euh, la périphérie. Ça montre euh, que ces, ces, ces éléments, puisqu'on pense que c'est les éléments de Boko Haram, ça montre qu'ils sont qu'ils vivent avec les populations, ils sont pas loin, ils sont juste euh, peut-être à la périphérie des différentes localités. Ils circulent. À un moment, à Difa, les gens disaient que dans la deuxième partie de la journée, puisque selon certaines informations, les FDS regagnaient des camps, ou en tout cas les lieux de rassemblement, dans la deuxième partie de la journée. Et mm. eux, euh, disent, euh, ils pourraient être visibles, etc. Avec cette Ça montre qu'ils sont vraiment dans cet environnement. Ils ont peut-être du mal à, se réunir euh, comme ils l'ont fait euh, les années passées et porter un coup euh, attaquer la vie des dix femmes, puisqu'il mhm. puisqu'ils ont eu à le faire de, de par le passé. Mhm. Et donc là, ils posent des coups à la périphérie. Et malheureusement, il y a <clears throat> toujours ces victimes au sein des, des FDS. Vous parlez de cette personne tuée. C'est dramatique. En tout cas, ça montre que l'ennemi est toujours là mhm. et que pour l'instant, on n'a pas trouvé le chemin parce que on a mis énormément de moyens, euh, on peut le dire à travers la loi des finances. Euh, on dit qu'il y a des partenaires qui sont là pour nous aider avec ces bases militaires, que certains, sans eux, nous sommes aveugles, qu'ils sont là pour euh, nous donner des renseignements extra. Mais ça montre la réalité et la, vraiment la, terrible réalité de terrain, mm. c'est que tous les jours, on a des victimes. Différent de, euh, ce qu'on entend dans les on on peut se consoler en disant qu'eux aussi, euh, les ennemis ont des victimes. Parfois, on ne les voit pas, ces victimes. Mm. Mais ça montre que nous sommes encore exposés et que l'ennemi a toujours une capacité à déstabiliser, à causer le deuil dans notre pays. Et la triste réalité, c'est bien celle-là. Moi, je pense aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est que faut-il faire Puisque Abba le disait, on a, on a acheté la paix et, un moment de l'histoire, on a euh, réinséré les anciens rebelles. Ils sont partout actuellement aussi, ils sont dans, les. Mais là, nous sommes dans la région de Difa. Hein. Je parle de, de, la toute. y a eu une rébellion aussi, hein, le FDR. Euh, mmh. Justement, je parle, du, pays dans, dans, son, son, ensemble et même les autres pays mmh. de, la sous-région, euh, le Burkina, le Mali, autres. On a tout fait. On a on a, on a signé des accords avec euh, les, puissances étrangères, on a créé le G5, on a créé le. Et au Niger, pour le, cas des, des Boko Haram, on a un moment ouvert la vente ah. pour, que des, pour recevoir des avec avec la loi de finances, on a augmenté eh, considérablement le, budget de défense pour euh, acheter et entre parce que certains disaient qu'on a aussi enrichi eh, d'autres personnes. Il faut, il faut donc eh, attaquer le problème à la racine. Pourquoi les jeunes Parce que pour la plupart, quand vous partez à Adifa, ce sont des jeunes, des fois même pas des jeunes, des enfants, des adolescents qui sont enrôlés. Pourquoi, pourquoi Vous le Vous parlez des, des, forces de défense nigériennes Je ne parle pas des forces de défense, des, des, gens qui attaquent leurs frères. Parce que à oui, ceux qui sont enrôlés dans, le, groupe, euh, dans, dans le, groupe euh, euh, rebelle et autres. Quand vous partez à Difa, ce sont des gens avec lesquels vous vivez toute la journée et qui, et la nuit tombante, ils se, mettent à Et, et pour attaquer leurs frères. qu'il faut-il faire Hussein a dit que c'est la paupérisation qui est à la base de tout ça puisqu'on sait que c'est la pauvreté, que faut-il faire Je pense que c'est à cela et maintenant qu'il faut s'attaquer pour essayer de trouver des solutions, parce qu'on sait que les, accords avec les, partenaires n'ont pas marché. Et, mon confrère disait que, au fait, on ne disait pas que qu'il devait nous aider, on savait qu'elle ne devait pas nous aider, mais on pense que lorsqu'elle sera là, hmm. c'est quelque part pour ça, puisque avant-hier, les les forces françaises ont attaqué les rebelles de, Tchad. Pour les empêcher de. Vous vous rappelez encore une fois au moment où Idriss Déby était en difficulté, c'était les forces de Sarkozy, les rebelles étaient euh, aux portes de N'Djamena. Hier, j'ai suivi l'ambassadeur de France au, Burkina, qui disait à la demande du de Burkina, s'ils veulent, on peut intervenir. Vous voyez, quelque part, on dit ces forces-là, sont si elles attaquent, c'est de l'ingérence. Et un moment encore, nos autorités se, trouvent en difficulté et elles font appel à ces forces. On, ne sait pas quel genre de politique euh, et nos dirigeants et les forces françaises sont en train euh, de jouer. Euh, vraiment, c'est à ce genre de questions maintenant qu'il faut mm. répondre pour, trouver, pour de, trouver un semblant de, stabilité. Parce que lorsqu'il y a ce genre d'événements, lorsqu'il y a des attaques un peu partout, c'est dur, dur de revenir à une situation de stabilité totale. C'est Nissa bon, mais Concernant un peu la situation de Difa, je crois y a un peu camper le décor. comment faire alors comment faire comment, faire Comment faire Toute la question est là. <laughs> Tout le temps, on pose la question comment faire Comment faire Qui doit faire Aussi. Qui doit faire Avec quels moyens Le problème qui se pose dans nos pays, les questions de terrorisme, tout ça, on ne peut pas endiguer du jour au lendemain, c'est clair. Mais le terreau, quand il y a un terreau fertile, ils sont toujours en mesure de pouvoir recruter. Et c'est en cela que j'ai dit, il faut lutter contre la, pauvreté des gens. Parce que euh, quand il n'y a pas d'opportunité d'emploi, il n'y a rien. Des jeunes qui sont là, et il y a une situation nouvelle qui s'est créée où la personne se dit bon, je peux peut-être trouver un peu de ressources en m'engageant dans, tous les cas. Je, je, où je meurs, ou je, je <laughs> survive. C'est cette situation, cette, la triste réalité dans ces zones-là. Mm. Aujourd'hui, pratiquement toute la bande nord de la aussi, hmm. c'est à ça qu'on est en train d'assister. Hmm. Parce que quand des gens, parce que quand, par exemple, on est, au lieu de trouver des mécanismes pour pouvoir lutter efficacement, on, met des, on prend des mesures d'état d'urgence, on, met, on, installe l'état d'urgence ici et là. Hmm. Quand vous circulez dans ces zones aujourd'hui, les marchés ne se tiennent plus. Alors que si les marchés hebdomadaires. de marchés même ont été fermés dans Mais malheureusement, à Dufa, par exemple, les gens à l'époque, c'était le poivron, le poisson, la pêche. On vient, on interdit tout ça. On a délocalisé des populations qui, les populations qui étaient dans les îles, pour, pour, venir et on fait de comment des assistés des éternels assistés. Ils n'ont pas les possibilités, ils n'ont pas, ils sont plus en mesure eux-mêmes de produire, de, se prendre en charge. Il faut que quelqu'un vienne les assister. Ça pose sérieusement un problème parce que quand toute une famille avait des jeunes qui sont là, il y en a qui seront tentés peut-être d'aller de l'autre côté voir dans quelle mesure ils peuvent en tout cas se faire enrôler et poser des actes euh, qui sont qui sont répréhensibles. Mais malheureusement, c'est ça le problème, c'est la redistribution des richesses. C'est la redistribution des richesses. C'est comme Agadez. L'uranium a été exploité pendant 50 ans. En 50 ans, qu'est-ce qu'on a fait dans cette zone-là Même la voie pour accéder à Agadez aujourd'hui, la voie est impraticable. Ce sont ces interrogations-là. Il, faut, trouver des solutions à ces problèmes. Euh, Bassan, vous voulez réagir Oui, sur le que faut-il faire Je pense que c'est une question que les États se posent normalement, que tout le monde se pose, en tout cas dans la région de Difa. Je pense que les gens se posent la question de que faut-il faire alors, il faut peut-être éduquer les gens. C'est un travail à moyen et long terme. Mm. Il faut qu'il y ait l'éducation. Si l'État considère qu'il y a des choses qu'il doit faire, mais il faut que les États commencent à se poser la question de que faut-il faire. Le que faut-il faire, c'est au-delà de la force qu'on impose, qu'on impose, qu'on oppose à ces groupes armés. C'est-à-dire que euh, pendant ces années, toute la, la solution réflexion militaire doit changer. la toute, toute la réflexion qu'on a faite pendant ces dernières années, c'est de dire, eh bien, on va s'armer, on va mettre suffisamment de moyens, on va recruter des hommes, des armes, avec l'appui des partenaires, on va essayer d'opposer la force à la force. Alors, en même temps, en même temps qu'on fait cela, j'imagine qu'on peut comprendre les États. Quand vous avez un adversaire, quelquefois l'adversaire vous impose aussi la, règle. Dès lors qu'il vous attaque, vous êtes obligé de vous défendre. Et cela suppose que vous opposez la force. Mais en le faisant, puisque les États n'agissent pas comme les terroristes. Les États doivent aussi réfléchir aux solutions à moyen et à long terme. Mm. Et parmi ces solutions, il faut se poser la question, mais alors ce groupe-là, le Nigeria dit chaque semaine qu'il a tué 200, 300. Oui. Pardon, on dit des milliers. Mm. Nous, on dit la même chose. Pour qu'ils continuent encore à attaquer, il leur faut un système pour s'alimenter mm. éternellement. Ça veut dire qu'en même temps qu'on tue des gens, ils continuent à recruter. Alors pourquoi tous ces jeunes continuent encore à partir alors qu'on Et donc, il y a des vraies questions de fond ah, qu'il faut se poser. Ou alors, on ne tue pas ces gens, ce sont les mêmes groupes qui tournent. Si réellement, il y a eu toutes ces attaques, tous ces coups portés contre ce groupe-là, mm. par quatre ou cinq pays hein, autour du bassin du lac Tchad, mm. normalement, aujourd'hui, on devait affecter même les effectifs de ce, de ce groupe-là. Euh, euh, alors, s'il continue à le faire, à agir comme il le fait aujourd'hui, en menaçant de prendre des bases mm. militaires au bord du lac Tchad, notamment Baga, qui est un grand camp militaire au nord Nigeria, eh bien, ça veut dire que ce groupe a encore la capacité à recruter dans ces pays-là. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se rapidement, nous allons. Oui, je pense que tout, le monde et les États et nos, dirigeants savent ce qu'il faut faire, mais ne le font pas. Qu'est-ce Ils euh, le savent parce qu'ils ont, ils ont des, conseillers et en tout genre. Le problème, c'est quoi Ce que vous vous rappelez ce que Déby avait dit il est là parce que la France voulait, il faut qu'elle euh, euh, empêche à, la propagation du, du terrorisme. Or, on, on, se rend compte que ce n'est pas le cas. Les présidents aujourd'hui c'est cela pour rester au pouvoir. Bien, la question se poser. Bien, nous allons passer, euh, nous allons parler du, Mali, où l'on apprend la libération cette semaine du préfet de la localité de, de Tenenkou, et du journaliste Issiaka Tamboura, tous deux des otages de présumés djihadistes au Mali. Pendant ce temps, l'on apprend aussi le décès du juge de Nyono, Sungalo Kone. Il avait été enlevé en novembre 2017 par des hommes armés à son domicile au Mali, ces faits font couler beaucoup d'encre et de salive. Euh, nous avons avec nous donc notre confrère euh, Sekou Gadjigo. Au Mali, comment la libération du préfet Makandoumia et du journaliste ont euh, a été accueillie alors, avec beaucoup de soulagement, cette libération a été accueillie avec beaucoup de soulagement, d'abord au niveau de la famille de, l'administrateur, parce que c'est sa famille, ses épouses, ses enfants, euh, commencer à s'inquiéter et à se poser beaucoup de questions parce que euh, je vous rappelle que Makan a été enlevé le 8 mai 2018. Euh, hmm. Ça faisait pratiquement neuf mois qu'il était aux mains des, djihadistes. Hmm. il a été enlevé alors qu'il voilà, quittait sa, préfecture pour la région de, Mopti avec son chauffeur. Son chauffeur a été libéré aussitôt après l'enlèvement. Euh, pour le journaliste, lui, il a été enlevé il y a juste quelques mois, je crois fin décembre, il a été enlevé. Et ils ont été libérés lundi. Euh, d'abord, on ne euh, on connaît, pas les conditions, les circonstances de, cette libération. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a eu euh, des, paiements de rançon, des échanges de prisonniers Selon, certaines sources, officiellement, on ne parle pas d'échange de prisonniers ni de, paiement de, de, rançon. Mais selon certaines sources, je pense qu'il y a eu échange de prisonniers. Euh, parce que les djihadistes, euh, avant Makan il y avait le, magistrat et magistrat, un magistrat dans le centre du pays également, euh, Sungalo Kone, de Nono, qui avait été enlevé depuis novembre 2017, et un commandant de brigade également. Mm. à chaque fois, les djihadistes ont fait des vidéos avec ces, ces otages-là, demandant à l'État de libérer euh, certains de, ces, de leurs prisonniers, mm. voilà, des lieutenants des groupes djihadistes qui sont détenus dans les prisons euh, à Bamako et dans d'autres parties du pays, mm. d'échanger ces prisonniers à, ces, administrateurs-là. Mais l'État euh, a fait la sourde oreille et finalement, on a appris que ces deux-là, le magistrat et le, gendarme, le commandant de brigade, sont décédés parce que, puisqu'ils étaient malades. Mm. Et maintenant, ces, annonces aussi ont fait couler beaucoup d'encre de salut puisque le pouvoir actuel est confronté à beaucoup de, euh, difficultés. voilà, des leaders religieux qui sont mécontents, des, euh, des travailleurs qui sont mécontents, une grande sociale aussi. Et quand on a annoncé la mort de ces deux messieurs également, ça vraiment ça fait chuter leur code de popularité à Bamako. Donc je me dis que ça peut être une raison qu'il y a un lien entre ces, décès et la libération récente Je pense que je pense qu'il y a un lien parce que le décès a été annoncé suite à, une vidéo publiée par un site d'information, un site web TV, et qui a été dans le fief des, des djihadistes. Les djihadistes ont accordé une interview à ce site, qui ont fait une vidéo du préfet et ils ont demandé, euh, suite à cette interview, ils ont demandé les nouvelles de ces de le magistrat et le commandant de brigade, les djihadistes ont dit que ces deux sont décédés. Mm. Il n'y a que le préfet qui est. Donc, euh, si l'État est prêt à échanger, donc c'est juste quelques jours après, une semaine après qu'on a appris la libération de, de Makan Doumbia. Je pense que c'est une bonne chose puisque les gens s'interrogeaient. On, se dit, euh, on, est, on est prêt, à, on accepte d'échanger de, mm. des prisonniers djihadistes contre des otages blancs. Pourquoi pas pour euh, des nationaux donc les gens se posaient des questions. Si mm. on, a libéré le préfet aujourd'hui, même si on ne dit pas les conditions, les gens sont, sont soulagés aujourd'hui. Mm. Bah, alors j'allais vous poser une question avant de poursuivre parce qu'il ne reste pas assez de, temps. Euh, la Cannes U20, euh, donc, euh, qui s'est jouée à Niamey, c'est le Mali qui, qui l'a remporté. Est-ce qu'on peut savoir comment cette finale a été vécue et cette victoire au Mali oui, cette canne, comment cette canne hein, dans, son ensemble a été vécue, et c'est vrai que les Maliens euh, attendaient beaucoup de, cette canne, puisque premièrement, ça, ça se joue au Niger. Les Maliens disent maintenant que le Niger porte chance au, <laughs> euh, euh, euh, football, voilà, aux Maliens. <laughs> Mm. Donc ça, c'est une première raison. Donc tout le monde a suivi la canne depuis le début, même euh, même si c'est vrai qu'à notre première sortie, nous, l'avons raté, le Sénégal qui nous a battu mais les gens n'ont pas perdu espoir. également, les gens attendaient de cette canne parce que le football malien aujourd'hui confronté à, euh, des problèmes de, voilà, de, de petites euh, d'intérêts, conflits voilà, de mm. personnes. Mm. Donc ça fait pratiquement deux ou trois ans qu'on connaît cette situation. Il n'y a même pas de championnat. Donc c'était le seul moyen pour les Maliens d'être soulagés. Donc les gens ont euh, accueilli cette victoire avec beaucoup de soulagement et beaucoup de satisfaction. C'est mm. pourquoi il y a eu un accueil triomphal qui a été voilà, réservé à ces jeunes à leur retour. À Bamako, tout le monde, euh, nous souhaitons maintenant que le Niger organise une canne senior maintenant <laughs> pour qu'on là, pour qu'on vienne bien. Aux, familles de deux oui, effectivement, sportifs euh, euh, qui ont trouvé la mort dans un accident au retour. les Mali, ils sont venus pour la canne malheureusement. C'était leur dernière. Alors, Rufai, allez-y rapidement sur cette canne, votre appréciation générale oui, la semaine passée, je devais être là. J'étais, je pense que quelque part, on peut féliciter le Mali. Et comme je le disais, le Mali aime bien le Niger après la Cannes U17, c'est la Cannes U20 qu'ils ont gagné. Sur le plan euh, organisationnel, c'est vrai, en, dehors de, quelques ratés, notamment dû à, un problème d'électricité et quelques petites choses qui ne manquent pas, on, on peut supposer que <clears throat> déjà, félicitations au public nigérien qui était sorti massivement, surtout quand le Niger jouait, il y avait eu le stade était plein. Mm. On, le voyait que quand le Ménationneur jouait. Mm. Et sur le plan du jeu aussi, on peut dire qu'il y a du talent en Afrique mm. et qu'il faut suivre. Je pense que. mais pour le Niger, il y a beaucoup de travail à faire en parlant de l'équipe, euh, hmm. je, parle, il y a beaucoup de, travail à faire. Et avec le départ de, de Soumaïla qui a compris qu'il avait failli, je crois, hmm. à partir du deuxième match face au Burundi, ah, où on eu 3-1. Oui, je pense que c'est. Il devait partir euh, comme ça. C'est, comme disait Tanja, euh, grandir, c'est, partir. Lorsque la table est desservie, il faut partir. <laughs> Bien, Nous, nous terminons par ce sujet que j'avais annoncé le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur a entamé une grève de 112 heures à partir du lundi 18 février. La, grève a été reconduite pour six jours à compter du mercredi. Les enseignants-chercheurs, à travers leurs syndicats, exigent des autorités la reprise des élections rectorales à l'Université des Maradi, mais aussi le paiement de certains de leurs euh, droits statutaires, notamment les frais de publication et ceux relatifs au voyage. Alors, euh, euh, Hassan Boukar, Comment expliquer la persistance de ce genre de problème soulevé par les enseignants et euh, comment éviter de revivre les grèves illimitées de ces syndicats qui, à un moment, a paralysé euh, l'université l'année dernière Ce qui ne comprend pas, euh, notamment dans la position du gouvernement, c'est quoi cette volonté de revenir sur ce qui était considéré comme un acquis dans les milieux universitaires depuis plus d'une décennie notamment l'élection des, directeurs. Mm. Alors aujourd'hui, je me demande quel est l'enjeu qu'il y a aujourd'hui pour le gouvernement à nommer des, directeurs dans les universités. Sans vouloir passer par les élections. Oui, euh, moi je ne vois pas. C'est quoi l'enjeu Les universités, c'est des milieux particuliers qui doivent être capables de s'autogérer. Et là, ça fait déjà des années qu'il y a des élections dans les universités. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à comprendre en fait, ce qui se cache derrière cette volonté du gouvernement. Pourquoi vouloir coûte que coûte nommer des, des, recteurs Bon, on a déjà vu cette politisation de l'administration où on nomme X ou Y parce que c'est le parent, on veut caser des amis et tout ça. Mais dans les universités, il n'y en a pas beaucoup hein, dans ce pays. Il y en a une par région. On peut quand même laisser les milieux universitaires se gérer. Quoi. Alors, mm. cette grève, à mon avis, vraiment, on aurait pu en faire l'économie. Mm. Au euh, ça c'est mon sentiment aussi. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui à l'université, ça, ne date pas d'hier. C'est depuis pratiquement ces dernières années. Oui, que les enseignants-chercheurs sont confrontés à des difficultés. Parce que euh, on a créé, on est comme, on a comme l'impression qu'on veut les paupériser. C'est-à-dire qu'on a transposé la politisation au niveau des universités et on a créé une situation où les enseignants aujourd'hui, quand je vous dis, un enseignant chercheur, les enseignants chercheurs, ils sont payés les 50 du mois. as peur les 50 du mois, Oui, 50 jours. 50 jours. Je parle sous le contrôle. Euh, ils savent ce que je suis en hum, train de dire. Hum. On ne peut pas créer une situation de paupérisation, y compris à l'université. On ne peut pas vouloir imposer des recteurs. Non, on n'impose pas. Au niveau, le milieu universitaire, c'est un milieu quand même où c'est les débats où on doit pouvoir permettre aux enseignants, en tout cas, de désigner ceux qui doivent les représenter, mm. mais pas vouloir imposer, parce que quand on va vouloir imposer, c'est qu'on va prendre quelqu'un qui n'a même pas le, niveau d'un enseignant chercheur pour l'imposer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si on veut créer les conditions de stabilité. Au, niveau dans les universités, il faut laisser les enseignants chercheurs se gérer eux-mêmes. Il faut laisser les étudiants aussi se gérer eux-mêmes et créer les conditions pour que effectivement les, les, acquis ne pas compromettre les acquis qu'ils ont, des acquis qui pendant des décennies, hmm. on va vouloir remettre tout ça en cause Rufai, vous êtes d'avis, oui, ne pas remettre en cause les acquis Je pense que même si on va amener un, professeur à la tête de, de, de, du, du, rectorat, le problème n'est pas là. Et tout le monde sait que c'est les étudiants qui étaient à la base de l'avènement de, de la démocratie, donc euh, avec la conférence nationale souveraine. Mm. Et le mieux serait de laisser les enseignants comme on a dit, c'est un, lieu de débat contradictoire. Euh, présenter leur candidature, choisir qui ils veulent, pas amener un homme parce qu'il est sud de tel ou tel parti politique pour être à la tête du doctorat. On sait ce qui va se passer, il y aura toujours un bras de fer et je comprends pourquoi les anciens chercheurs ne sont pas d'accord. Vous voyez ce qui a été fait avec l'USN, avec l'UNUN, avec l'infiltration du politique a fait en sorte qu'aujourd'hui l'USN, on ne la sent pas et conséquence, c'est le sauve qui peut dans le, dans le milieu. Et c'est ici que prend fin le forum de la presse euh, d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie de nos confrères Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, Roufaï Dandoua, Hussein Issa et Sekou Gadjigo du, euh, du studio Tamani. À la présentation à Alassane Kouzi Mahamadou. Rendez-vous samedi et dimanche à partir de 17h15 pour les forums en Hausa et en Zarma.